va avec toi, euh, très rapidement. On va te poser des questions, one by one, Momo. On va noter toutes ces questions, ces réponses. Les auditeurs vont noter tes réponses. Alors, à l'arrivée de ton ami Momo, qui s'appelle tout simplement Mariem Di, collègue exactement Mariem Di. Question une pose poser Momo, est-ce que réellement mon alors, on va démarrer très rapidement avec euh, Momo. Juste après Momo, nous dame Edu. Après Edou, nous dame avec Marcel. Alors, c'est parti, Momo. La première question est la suivante. Aujourd'hui, Momo Quel est le prénom et le nom, bien sûr, de euh, Momo Mohamed Silla. Ok. Mohamed Silla. Les auditeurs, j'espère que vous êtes en train de noter, euh, bien sûr, Mohamed Silla. Ok, Mohamed Silla. Ok, je note. Alors, deuxième question. Mohamed Silla, quel est ta. J. Fais le portable, s'il te plaît. Ouais. Portable Gali, à côté. Voilà, nous avons l'émission, il paraît. Fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Fais Amoul a triché. Fuite Voilà, fuite de Fakhel. Et eh, Marcel, a envoyé un message j'ai porté ceci ou j'ai porté cela. Amoul Allez, on y va. Donc, Momo vient de répondre. Euh, prénom et nom, Momo Silla. Alors, Momo. Mohamed Silla, oui. Mohamed Silla, ouais, je m'excuse. Mohamed Silla, quelle est ta couleur préférée Le bleu. Le bleu. Ok, on le partage alors. Hmm, ah bon Oui. Souvent, ma change. <laughs> ok, alors quel est le plat préféré de Mohamed Silla La paella. Pardon Paella. Paella. Ok, paella. Hein? Ok, ah, l'on non Paella. Paella. En ah, paella. Ok, paella. Les auditeurs, il y en a qui notent, hein? Couleur bleu, le plat paella. Hein? Alors, quel est l'artiste, l'artiste préféré de Mohamed Silla L'incontournable, le talentueux, le juste, indescriptible Youssou Ndour. une PDG. ah, ah lol neex Eh de. SG kaleel ma bien son Youssou Ndour ok alors euh, quel est le pays de rêve de Momo euh, tey euh, ban pays tu as envie de découvrir ban pays que la as a nga ah boy Edou, vraiment dëkk bi de quoi. l'Angleterre. l'Angleterre juste pour regarder un match de Chelsea. <laughs> ok tu es fan des Blues quoi. ouais super alors quel est le sport le sport préféré de Momo. Bah, le football. football. Ok, Quand elle moi, c'est équipe quoi. Alors, Momo, qu'est-ce que tu aimes faire le plus dans la vie Dans la vie, Momo aime dormir. Dans la vie, Momo aime, euh, aime euh, bien sûr aller à la plage. Qu'est-ce que Momo aime faire le plus dans la vie Togne, togne. Momo de mën a Toigne tooñ ñu ngi français ouais? Takine. Takine, ah taquiner ok. non cagno, cagno. Cagno. <laughs> ok alors quel genre de femme quel genre de femme Tu es célibataire, non Non. ok ok alors quel genre de femme. xam boy, ne célibataire nga wóor na ma ne booy xam naa sa plaignante bi rek ne la eh maa ngi déglu de <laughs> nga jéem a leeral ni. ok alors quel genre de femme aimes-tu avoir ou bien souhaites-tu avoir demain quel est ton style de femme. Hmm. une femme ah qui ce goût ce goût point d'interrogation. je pense que je l'ai déjà ñaanal leen ma rek mu yeggali.

si nee na d'habitude góor taay fii nii dañuy bëgg voilà <laughs> non dañuy bëgg pota ñoom d'habitude dañuy bëgg xaru rek ok foog ma gudd fan ok kon ça veut dire que taay fii quoi nga am ah. yaa ko wax de ok ok toujours les questions alors on y va quel a été quel a été le meilleur moment vécu de la vie de Momo durant ta vie jusqu'à aujourd'hui au moment où tu parles avec les PNG Momo amna ben moment bi nga dund mu neex la lol ngene boy edo vraiment moment bi wor na yalla dum ko musa faté ban moment la ce moment a duré presque 1h30 minutes 1h30 <laughs> minutes ay douleur hein? non sérieusement ça a duré 1h30 minutes OK et c'est xama ban moment ban moment là mooy bi may long métrage épisode 48 pour les Marichou j'ai été très fier. long métrage parce que mis à part le fait que j'étais acteur pendant la saison 1 j'étais aussi dans l'équipe technique et c'était pas très facile de faire un tel boulot 48 épisodes yo xamante ay nit yu ko musul def Tay ñu ñëw def ko li fi ñu doon xaar sori li ñu doon xaar kawé. man bi cette année, épisode 48 bi.

Ok, c'est super. Alors, Limasi Yorko, vous, vous avez opté pour les jeunes talents. Madame, si c'est une série, bi amul ken ko xamantene avant de don une télé ou avant artiste bu On a remarqué que Pot et Marichou ñep ñi intégré ay artistes yo xamantene c'est des débutants, ñen ñi musuñu def sax série, mais ñen ñi musuñu def jouer film. Tu vois. Donc les jeunes, les jeunes. Les jeunes. OK donc surtout les jeunes quoi on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas ils ont une expérience série et tout Ils sont formés et puis tay ont 5 ans 10 ans de carrière donc ça c'est à féliciter aussi hein. ok alors quel a été le pire moment maintenant sans wax le meilleur moment maintenant le pire moment vécu de moment vraiment non jour boobu gars yi di ma yoxosu sama gel bi nag wala jour gis nga jour boobu nak wa xam nga bu ko na nga wax ma tay Momo vraiment quel a été le pire moment de Momo. puis ma ngi jégalu de mais loolu j'en parle jamais ma ngi jégalu bu baax. kon manam amul quoi yow muso dund lu lu naqari. mos naa ko dund mais je n'en parle pas. ok. je suis désolé. ok loolu mënoo ko wax quoi. tu le gardes pour toi hein

pile le waaw pile ah. xool ma rek comment? ma xool ma Sali mu pousse nga <laughs> Sali caméra bi yow boo ma gisee nii doo gis fidélité ci fidélité ok donc Momo est fidèle F F laay F ok euh, pour les pour maintenant les questions c'est bon Momo les deux autres questions a ami invisible il y en a koy répondre ensemble d'accord donc on va t'offrir le Youssou très rapidement que tu as demandé J jigéen li koy gën a bëgg toogal moom ni ko I love you ak loo ko mën a may am na lu ko gën toogal nga moom ni ko I love you sama kër gi ngay woote kay li koy dëggal woowal the shitty boy, I love you. Porque el poco cadete yo ben confusa. We are gay, I love you. si soppal wóoru tan koy ko I love you dama laa bëgg ci sama yaay sama amul bàyyi boo ko xamee xamul boo amul man na man ma gënal am biibi yaa dugg ci sama xol jaral nga ma songu jaral nga ma Au plaisir, bien sûr, euh, de Momon qui adore euh, Yusunur. Donc, félicitations à lui, euh, Momon, qui vient de répondre à mes questions. Allez, très rapidement.